L'État ne ñu pas escroquerie qui a escroqué qui une affaire privée ni qui dépose une plainte n'a pas escroquerie corruption mais dem l'article lire 159 code pénal pour corruption il faut un agent public boire on des dañ pour qu'en échange nous def wala mu agent public après, ils mettent leur, leur, leur connerie de X, excuse-moi du terme, comme dit Barthélémy c'est du foutage de gueule. Tu prends, tu mets X. Mais quand nous corrompre dans cette affaire-là Parce qu'il faut coûte que coûte fabriquer des preuves pour que nous des dégagons. Mais nous, nous sommes des gens qui ont des activités. yow nga leen tëj gënoo leen Macky Sall bi leen tëj gënu leen te tey su jugee palais dina dem toog ak njabootam et on nous dit laissez passer balaa may dee ñu ne Sénégal réewu jàmm réewu jàmm day fekk tous les acteurs dox jàmm te yow mi ñu jox nguur pour nga améliorer le sort des Sénégalais nga bañ ko utiliser pour di dal ci kaw nit ma daaneel nag ci wax ni nous serons à côté de Y'en a marre dafa am combat yoo xam ne bu jotee bu ñu nangu fumisterie yi waaye c'est politique c'est pas man bi ma ci tollee ñi ñëw duñu politicien mais suñu taxawloon heure bi du ma toog fii di wax je ne suis pas là en tant que politique je suis là parce que mes frères kilifa Moussma je suis là parce que dañoo jël justice instrumentalisée une fois de plus pour liquider des gens et vous aurez tout notre soutien nous mènerons ce combat ensemble y la rue Il dem dans la rue

Parce que ce que Macky Sall veut faire de ce pays, ça ne passera pas. Et je termine par lancer encore un appel à la jeunesse de ce pays. C'est votre avenir qu'on veut compromettre parce que l'ILEP, ça participe à un plan politique de confiscation du pouvoir par des gens incompétents qui n'ont réussi à rien faire de bon pendant 10 ans et qui vont rester encore 10 ans. Je vous remercie. mbokk yi nuyu naa leen maa ngi tudd